studio kalangu studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. L'actualité de la semaine a été marquée par, dans les régions de Maradi et d'Ifa, la recrudescence des enlèvements de personnes avec exigence euh, de paiement de rançon pour leur libération la reprise des journées d'action citoyenne de la société civile nigérienne. L'actualité, c'est aussi la célébration de la journée internationale de la francophonie. Pour analyser ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Hussein Issa, journaliste indépendant. Hussein Issa, bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Rufai Dandoua, journaliste sportif. Au microphone, Mokhtar Hamadou. see you. Bienvenue à vous tous euh, dans le forum de la presse que nous ouvrons par le fléau d'enlèvement de personnes et leur libération seulement après le paiement de rançon une préoccupation majeure, notamment dans la région de Difa, où l'on s'interroge euh, sur la véritable identité des acteurs de ces raptes. Pour le chercheur Saini Moumouni, il faut une enquête juste pour déterminer les, les auteurs. Écoutons son analyse au micro de Habibou Garba. Les enlèvements des filles, bien sûr, les opinions étaient partagées parce qu'il y en a qui se demandent s'il s'agit réellement de Boko Haram. Mais ça, c'est une question d'enquête, d'investigation et de renseignement qui pourront nous le dire. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce groupe est en train de se restructurer et avec des nouveaux leaders Mm-hmm. Et donc, qui dit des nouveaux leaders dit aussi des nouveaux moyens. Ces demandes de rançon montrent aussi que l'efficacité, bien sûr, le fait de couper les sources traditionnelles de financement et aussi sur le plan international, les dispositifs qui ont été mis en place pour euh, empêcher à ce que l'argent transite d'un continent à un autre pour des actions liées au terrorisme. Donc, toutes ces actions de ces dispositifs-là commencent à porter les fruits. Les fruits, donc parfois aussi il y a des règlements de comptes aussi. Et donc, euh, tout ça, c'est le travail d'enquête qui nous permettra d'en savoir euh, davantage. Ousenissa, êtes-vous euh, de cet avis Oui, mais, <laughs> Vous savez, quand l'insécurité s'installe hein, dans un pays, parce qu'aujourd'hui, ça a commencé par Difa, ça s'est étalé à la région de Tawa, puis la région de Tilaberi. Aujourd'hui, toutes ces trois zones-là sont des zones d'insécurité. Et c'est des zones qui sont en état d'urgence, placées en état d'urgence. Et à partir du moment où on met des zones, en tout cas des vastes territoires comme ça, en état d'urgence, et que les conditions ne sont pas créées, ce n'est pas forcément les éléments terroristes qui viennent poser ces jacques d'actes. Il y a plein de gens qui sont là, qui peuvent se procurer d'armes pour pouvoir, et en tout cas, entreprendre ces jacques d'initiative dans le but de trouver de l'argent. Aujourd'hui, bon. Du, banditisme, selon vous. mais bien entendu, parce qu'à partir du moment où, quand on met une zone en état d'urgence, on doit se donner les moyens de pouvoir surveiller cette zone-là, de jour comme de nuit. Mais quand, bon, <laughs> la surveillance n'est pas tellement garantie la nuit, bien évidemment, il faut s'attendre à ces genres de situation. Parce que quand on enlève des individus, et les individus qu'on enlève sont ciblés on n'enlève pas n'importe quel individu, n'importe quelle personne. Ceux-là qu'on on est en train d'enlever ce qu'on enlève là. C'est on sait que les parents ont peut-être des ressources pour pouvoir éventuellement payer la rançon qui est exigée. Mais il faut changer la donne, moi j'ai dit. Mais où, où la, donne, au peut-on euh, est-ce que le gouvernement a les moyens euh, de placer <coughs> derrière chaque village des gendarmes Non, moi euh, j'ai dit non, non, non. Ce n'est pas une question de placer derrière chaque village ou machin. C'est la dissuasion. C'est la dissuasion. Quand on met une zone en état d'urgence, c'est que on se donne les moyens, on crée les conditions pour que cette zone-là, même quand vous venez poser un acte, avant que vous ne puissiez vous retirer, qu'on arrive à vous apprendre, qu'on arrive à vous détruire, qui que vous soyez, que ce soit Boko Haram, que ce soit des éléments qui viennent faire ce type d'enlèvement pour demander des rançons. Moi, je dis, à partir du moment où une zone est en, état, d'urgence, où les gens ne peuvent même plus vaquer à leurs occupations, où pratiquement toutes les activités économiques sont au ralenti ou sont carrément euh, paralysées, on ne peut pas entendre qu'on dise parce que moi, j'ai dit, si c'est des éléments de Boko Haram, ils ne vont pas demander des rançons pour dire les conditions dans lesquelles. En tout cas, jusque-là, les, les, femmes, les, les, 39 euh, femmes et enfants enlevés en euh, sont là. Boko Haram beaucoup euh, pas demandé de ransom. Il n'y a pas de rançon. On ne demande pas de rançon. Mais les gens qu'on enlève, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est des gens, on sait que, bon, les parents, ou du moins, s'il y a des parents qui ont les moyens de pouvoir payer ce qu'on va demander, on va, créer, on va dire, voilà les conditions dans lesquelles le versement du, rançon va se faire. Mais bon, ça veut dire que c'est des gens ciblés, ça veut dire que ceux qui s'adonnent à ça, ce n'est pas forcément des éléments de, beaucoup de, Boko Haram. Gary Amadou, comment expliquer la persistance de ce phénomène qui vient se greffer à la guerre malgré la forte présence des forces de défense et de sécurité dotées de pouvoirs exceptionnels D'abord, pour, faire, pour, pour bien analyser la situation, il faut comprendre une chose. C'est-à-dire c'est des allèvements qui se déroulent dans des territoires bien déterminés. On parle de, on parle de Difa, on parle de Maradi. Et donc, ces deux régions ont la particularité d'avoir une frontière avec le Nigeria. Et pourquoi il n'y a pas eu ces enlèvements par le passé. En réalité, ces enlèvements-là ont un lien avec l'insécurité qui prévaut au niveau du Nigeria. Donc l'insécurité qui prévaut au Nigeria fait en sorte que, pour moi, beaucoup d'armes sont en train de circuler. Et quand les armes circulent, ça veut dire que les armes peuvent tomber dans des mains des terroristes, mais aussi dans des mains des bandits. Et ces gens-là qui commettent ces enlèvements-là, ce sont des gens qui ont des complices au sein de la population. Parce que pour enlever le fils d'un riche, il faut être au courant que c'est d'abord le fils d'un riche. Et qui peut donner l'information, c'est quelqu'un qui est au sein de la population. En réalité, L'enquête, si elle devait se dérouler, elle devait se dérouler au sein des populations, au sein des communautés où ont eu lieu ces enlèvements-là. Les complices se trouvent parmi ces gens-là. Parce que ces enlèvements-là ont la particularité du fait qu'on enlève, d'abord, on n'enlève pas le, pauvre du village, non. On enlève celui qui a de l'argent. Et quand on enlève, on demande une rançon. Et c'est un truc qui est en train de se répéter. Donc, vous voulez dire que les populations civiles doivent euh, pleinement coopérer, doivent Mais je vous dis, le verre est dans le fruit. Les complices sont au sein des populations. Pour les enlèvements au niveau de Maradi, n'est-ce pas, eux de Difa, c'est des gens qui ciblent, qui sont, ils sont intelligents, ils analysent. Ils savent très bien que euh, si tu viens, tu enlèves euh, M. Monsieur Garé, tu, n'auras rien du tout parce que Garé, son père est pauvre, sa mère est pauvre, il n'y a pas d'argent. Donc, <laughs> mais quand tu viens, tu enlèves le fils de Baladan Sani, tu sais que c'est le fils de Balad Quand tu enlèves le cousin de Balad qui est dans un village reculé, même s'il n'est pas de la ville de Maradi, tu sais qu'il a, il a, un lien avec Balad C'est pour vous dire à quel point ce sont des gens qui ont analysé, donc qui sont au sein de la population. J'ai dit, ce phénomène-là, il faut que ça s'arrête parce que et ça concerne que les villages frontaliers avec le Nigeria, si vous comprenez. C'est-à-dire que ce pas des enlèvements qui ont lieu au centre de la ville de Maradi, c'est dans les villages frontaliers. Et donc, j'ai dit il faut que en fait l'armée soit déployée. C'est vrai, c'est difficile parce que le Niger quand même c'est 1 267 000 km2. Ça fait deux fois la France. C'est vaste. C'est trop vaste. Et on a, comme vous l'avez dit, on ne peut pas mettre un militaire derrière chaque citoyen. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut qu'on sécurise mieux encore les zones frontalières. Pourquoi Parce que et eh, le mal vient de là-bas, vient de par la frontière. C'est-à-dire que certainement que ces bandits qui commettent ces enlèvements ne, ne restent pas sur le territoire nigérien. Quelque chose me dit que même s'ils ont des complices, en tout cas dans le groupe, il y a des bandits nigériens qui profitent de la situation de Boko Haram au nord pour vraiment euh, essayer de s'enrichir euh, par la, plus vile des manières, en enlevant, en assassinant. Et donc, je pense qu'il faut franchement redéployer l'armée au niveau de ces, cette zone de Maradi. Parce que depuis le début, on considérait que non, l'insécurité, c'est Difa, Tilaberi, Tawa. Mais non, là, là, ça prouve que Maradi, si on ne fait pas attention, si ces enlèvements-là se multiplient, les bandits vont avoir les moyens, et quand ils ont les moyens, ils vont acheter encore d'autres armes. Ce banditisme-là, s'il s'agrandit, il se transformer encore en un phénomène qu'on ne pourra pas gérer. J'informe nos auditeurs que notre troisième invité, Rufai Dandoua, vient de nous rejoindre dans ce studio. Euh, Roufaï Dandoua, euh, euh, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Martin. Dandoua, ce fléau trouble également le sommet dans les départements de Madaroufa et de Guidamrouji et dans la région de Maradi, où le contexte est différent de celui de Difa. Qu'est-ce qui l'explique Justement, c'est là où je pense que c'est euh, c'est trop simple ce que Gary a dit quand il dit que c'est parce qu'ils sont à la frontière euh, du Nigeria. Et hier ou ce matin, j'ai écouté aussi au Burkina Faso, il y a eu des enlèvements. Il y, a, il y a deux personnes qui ont été enlevées et c'est le même mode, opératoire. On a demandé des rançons. Donc, je pense que eh, on doit eh, aller en profondeur encore pour essayer d'investiguer et savoir d'où vient ce fléau qui commence à prendre euh, une grande ampleur, pas seulement au Niger, donc un peu partout et dans la sous-région. C'est le même mode opératoire qu'on a l'habitude de voir avec les grands terroristes lorsqu'ils prennent des, des, étrangers, les Européens surtout et, les Américains. Et on dit par exemple, lorsqu'on capture un Français, c'est plus c'est la, la cagnotte est, plus élevée que par exemple un Américain qui dont le gouvernement dit qu'il ne négocie pas. Bien vrai que tous les gouvernements négocie eh, négocient d'une manière ou d'une autre avec les terroristes, mais je pense que, eh, comme l'a dit Garé, eh, on ne prend pas le fils de n'importe qui. Ça a commencé, je crois, au Niger avec les, les, parents des députés, un moment, je crois oui, à oui, à des, certaines, parents de certains députés et qui ont vite fait pour payer la rançon. Lorsqu'on a donné, par exemple, la, possibilité à ces, bandits, parce qu'on ne sait pas si c'est des terroristes ou pas, c'est à ces bandits, dès qu'ils ont demandé la rançon, on leur a donné cette rançon. Donc, ça a ouvert une, une brèche, ça a ouvert une fenêtre pour dire Ah, et donc c'est très facile, on peut procéder. C'est du bon business. Oui, c'est du bon business, on peut le faire, puisque c'est vrai, le, le verre est dans le fruit, comme l'a dit Garé. Et on pas, si on prend, si on cible une personne pour la kidnapper, quelque part on sait qui elle est et est-ce que ses parents sont à même de payer et la rançon demandée. Et, et, maintenant, on se rend compte que ces personnes qui sont enlevées, si on les a ciblées, c'est que quelque part, il y a des complicités au sein de la population. Maintenant, donc, c'est dans ça, dans la population, pas le fait de mettre, on peut mettre toute l'armée du monde, par exemple, si il n'y a, il, n'y a pas de renseignement. c'est là aussi va se passer. Pourquoi Parce que on peut, on peut venir et les, les toutes nos frontières aujourd'hui en Afrique sont poreuses. Ça, tout le monde le sait. mais, mais Guida Rougi est quand même un peu loin de la frontière du Nigeria. Oui, justement, c'est là où je disais par exemple que ce n'est pas que seulement parce qu'il y a des, des, armes qui circulent ou qui venaient du Nigeria. L'insécurité maintenant est grandissante et elle est un peu et, partout. C'est pour ça aussi que je dis que la complicité étant dans la population, tout le monde aujourd'hui, sachant que c'est du bon business, peut le faire. Parce que moi, je me rends compte que je n'ai rien. Un groupe d'individus, on, se réunit, on dit bon, écoutez, on va prendre l'enfant de Mokhtar parce qu'on sait que Mokhtar sa folie de comprendre son enfant. On le fait, on prend, il donne l'argent et c'est fini, on le, rage. Peut-être que même les personnes sont, n'ont même pas quitté le territoire du Niger. Et là, on donne l'argent, on les relâche. C'est pour ça que ce n'est pas seulement en mobilisant une, grande capacité, militaire qu'on peut éradiquer ce problème. Non, non, ce n'est pas des renseignements et ce n'est pas des infiltrations au sein de la population qu'on peut, par exemple, trouver euh, le nœud du problème. Allez-y euh, rapidement. Il faut quand même dire que les deux vont de pair. Hein. Le, le travail de renseignement, qui dit lutte contre l'insécurité, parle forcément du travail de renseignement n'est-ce pas euh, Je n'ai pas besoin de le dire. Mais je pense que sécuriser les populations aussi fait partie du devoir de l'État. Est-ce que vous comprenez Mais si ces enlèvements-là persistent, c'est parce que les gens continuent à payer. Mhm. Est-ce que vous comprenez Selon vous, les gens ne doivent pas payer. Non, si je dis ça, on va dire Ah oui, c'est pas parce que c'est pas un de tes parents <laughs> qui, a été enlevé. Est-ce que vous comprenez C'est trop facile à dire. Mais ce que j'ai dit, euh, il faut vraiment que l'État se donne les moyens de pouvoir vraiment arrêter ce phénomène. Non, je pense que ce n'est pas, n'est pas, fait, pas le fait de payer, mais il ne faut pas cacher que dès l'instant où on dit on, a, pris ton enfant, il faut payer. Maintenant, tu, tu, paniques et tu payes. Non, il faut eh, coopérer avec les, forces de défense et de sécurité pour voir comment on peut procéder. Y a, si, si c'est le dernier recours et que tu comprends qu'on va tuer ton frère ou ton parent, même si tu n'as rien, tu vas faire l'impossible pour payer. Mais il ne faut pas que dès qu'on dit Ah, on a pris ton fils, tu prends 10 millions, tu payes. Non, si tu fais ça, ça veut dire que tu décourages et le service de renseignement et les forces de défense et de sécurité qui sont là pour, le, pour sécuriser la population. Et là, la situation va perdurer. Et, tu vas ouvrir euh, encore. Oui, là, c'est trop facile parce que là, écoute, si par exemple on te dit que ton enfant a été élevé et que tu as 48 heures pour payer, bon, le temps est très court. Est-ce que tu vois Bon, entre partir voir la police ou essayer de mobiliser les fonds l'instinct de survie, l'instinct de sauver son ton enfant mhm. va prévaloir. Je suis entièrement d'accord, mais entre ces 48 heures-là aussi, on peut informer les, autorités ah, et continuer à, chercher. Maintenant, si avant, avoir la fin du délai, les, les forces de défense et de sécurité arrivent à libérer la personne, tant mieux. Au cas contraire, bon, je ne sais pas. Sur un autre chapitre, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne renoue avec ses euh, mouvements de, de protestation. Écoutons à ce sujet Ali Drissanani, un des leaders lors de la manifestation de samedi à Niamey. Pour nous, c'est inadmissible qu'on puisse gérer ce pays ainsi. C'est pour ça que nous, organisation de la société civile engagée dans le cadre, nous avions décidé de reprendre les manifestations de rue à partir d'aujourd'hui. Et ça ne pourrait que s'amplifier les jours à venir si tant est que nos camarades continuent à être gardés en prison. Si tant est que la malgouvernance continue à être le modèle dans notre pays, si tant est que la corruption devient la règle, si tant est que les Nigériens ne sont pas égaux devant leur justice. Et Inch'Allah, nous sommes sûrs d'une chose, la victoire sera de notre côté. Ousenissa, votre commentaire après avoir écouté Ali Drissa Bon, mais le commentaire, bon, c'est une manifestation, j'ai un peu suivi ça je considère que, bon, il y a quand même des raisons de continuer, en tout cas, de manifester. C'est des manifestations qui sont nées, en, ou du moins qui ont débuté avec euh, l'adoption de la loi de finances 2018. Et du fait des mesures antisociales, en tout cas les mesures fiscales antisociales contenues dans cette loi, lesquelles mesures ont été à la limite reconduites intégralement dans la loi 2019. Et c'est tout à fait normal qu'ils continuent la lutte. Ils ont été absents sur le terrain pendant pratiquement cinq mois. Ils ont décidé de reprendre la rue. Moi, je pense que c'est une lutte citoyenne qu'ils sont en train de mener. Et on voit un peu, quand on parle de lutte citoyenne, on voit un peu ce qui se passe un peu partout. C'est-à-dire, quand la gouvernance va mal, il faut que les gens puissent se mobiliser pour dire non, il faut rectifier le tir. On voit ce qui se passe en France depuis pratiquement combien de semaines et avec même des débordements. Alors, alors Nissa, comment expliquer euh, ce silence euh, d'au moins cinq mois Oui, le silence cinq mois, mais vous savez, c'est que c'est lié au fait que ce, euh, y a le travail ou la prise de conscience citoyenne, là, ça met du temps à prendre forme. Dans un pays comme le nôtre, où les gens considèrent que, bon, ça ne m'engage pas. Ça m'engage pas, ils sont en train de lutter. Bon, évidemment, il y en a qui sont d'accord, ils sont, ils sont parce qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe. Souvent, il y en a qui luttent, dès qu'ils trouvent un poste, on les appelle, on les, ils abandonnent ça dit des acteurs qui sont engagés ou qui se sont montrés engagés pendant un moment, dès qu'on les appelle, ils sont prêts à lâcher et puis à, tenir un autre discours, contraire au discours qu'ils avaient l'habitude de tenir. Et c'est ça qui fait un peu la démobilisation des citoyens. Ça fait que les gens se disent, bon, pourquoi je vais aller me mettre dans la rue à marcher Si la manifestation est réprimée, je peux prendre des coups et tout. ça fait que les gens se disent, bon, mais moi j'ai dit, il ne faut pas baisser les bras dans un contexte démocratique, euh, ce qui est prévu par les textes, c'est la possibilité de manifester. En tout cas, le, droit de manifester, c'est inscrit dans, la Constitution, c'est prévu par la Constitution, le droit de manifester. En tout cas, c'est canalisé, on sait dans, quel contexte, comment ça doit se faire. Maintenant, quand il n'y a pas d'élan, de, de, parce que c'est l'élan, quand il n'y a pas de langue, comme ce qu'on voit un peu partout, on voit un peu en Algérie, c'est la mobilisation populaire qui a fait reculer Bouteflika, qui est grabataire, mais il, il était obligé de dire Ah, ça, je ne peux pas, parce que continuer, c'est pas lui, Bouteflika, c'est les généraux qui tiennent le pouvoir. C'est tout un système. C'est tout un système qui est là en place depuis pratiquement combien d'années et que les gens, les populations ont dit non, on, vient en finir, il faut que ça change ils ont obtenu au moins un début de solution. Ils sont toujours dans la rue pour pouvoir faire, en tout cas, créer les conditions, les rapports de force nécessaires pour que le système là-même tombe. je pense que c'est comme ça, c'est des modèles comme ça, c'est des exemples comme ça qu'il faut suivre. Gary Amadou, qu'avez-vous observé de nouveau lors de cette nouvelle sortie, notamment sur l'affluence dans les discours oui, d'abord, le premier constat qu'on fait, c'est que d'abord, euh, il y a la, faiblesse de la mobilisation. Comme il l'a dit, les gens commencent à se démobiliser. Les gens n'ont plus confiance aux acteurs de la société civile. Ils comprennent aujourd'hui que certains acteurs de la société civile, soit ils sont mis par des intérêts pécuniaires, soit ils sont mis par des intérêts politiques. Et quand vous comprenez cela, vous ne pouvez plus vous aligner derrière ces gens-là. Deuxième chose, c'est qu'on a vu le changement du discours. Avant, on parlait de manifestations contre la loi de finances. Aujourd'hui, vous avez remarqué, la question de la loi de finances n'est même plus à l'ordre du jour. On parle de oui, les bases militaires, etc., etc., etc. Il y a un changement radical de discours. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que l'affluence n'a pas été au rendez-vous. Oui, mais en fait, il y a, pas, oui, y a pas, en fait, il y a, une sorte de crise de confiance entre la société civile et les citoyens. Parce qu'effectivement, certains acteurs de la société civile qu'on voyait brûlants ont eu des postes de responsables. En tout cas, ils ont été nommés euh, et, ils ont tenu des discours, comme il a dit, contraire à ce que. Donc, finalement, qui croire la population se dit, mais alors qui croit Donc elle préfère rester à la maison, surtout qu'on est dans une période où il fait extrêmement chaud. Sortir à 11h jusqu'à midi, c'est pas facile. Et donc, les prochaines manifestations, il y aura encore moins de monde parce qu'il va continuer à faire encore plus chaud. Et donc, je dis, l'échec est. Selon vous, le moment n'est pas propice pour euh, euh, entreprendre les manifestations. non, ils savent pourquoi ils l'ont fait. En réalité, les gens ne savent pas. Les gens ont dit, ah oui, oui, après plusieurs mois de léthargie, comment se fait-il que les gens se remettent En réalité, vous avez vu ce qu'Alidris a dit. Il dit, non, on va faire les manifestations jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est quoi Parce qu'on sait que le Niger va organiser le sommet de l'UA 2019. Leur intention, c'est de continuer à manifester, même pendant le sommet, pour essayer. ils, ont, ils, ont, ils, ont, passé toute l'année dernière. Oui, mais non, c'est différent. Le contexte est différent. Cette année, le Niger va organiser le sommet de l'Union africaine. Il y aura beaucoup de chefs d'État qui vont venir. Alors, ces gens-là ont senti peut-être l'opportunité de pouvoir reprendre les jacques, en réalité, pour essayer quelque peu de perturbé. Mais heureusement, le Niger est un pays démocratique. Il faut s'en féliciter. Parce que quoi qu'on dise, c'est une manifestation euh, qui a été, ils ont demandé à manifester, ils ont fait un premier itinéraire. Le président de la délégation spéciale a dit, avec argument, euh, je vous demande de changer d'itinéraire et de changer de date pour les raisons ceci, ceci, cela. Et j'ai aimé le sens de responsabilité de acteurs de la société civile-là qui ont suivi le président du conseil, euh, et la, délégation spéciale de Niamey, et ils ont changé d'itinéraire et ils ont changé de date. Et donc, à chaque fois qu'ils veulent manifester, tant qu'ils restent dans le créneau-là, ces manifestations auront lieu. Et j'ai dit, ça c'est à la, à la, victoire de la démocratie nigérienne parce que le Niger démontre que c'est un pays de droit où on peut exprimer son mécontentement parce qu'une fois de plus je le dis la société civile est extrêmement importante dans un système démocratique Roufaï Dandoua, euh, en plus euh, du Niamey, des manifestations ont eu lieu à Zender et à Maradi. Pensez-vous que euh, les dirigeants seront attentifs cette fois-ci Oui, attentifs à quoi Je ne sais pas. Moi, je, pense que. aller jusqu'au bout, peut-être que ce n'est pas. Dans tous les cas, les manifestations là ne vont pas entacher entraver la bonne tenue de, de sommet de, de, l'Union africaine. Ça peut se faire, ça se fait partout aux États-Unis, en France, ça se fait au moment où il y a des grandes, eh, des grandes rencontres. Oui, on va juste canaliser le, le, le, le mouvement pour pour ne pas que ça, ça porte, même si ça, ça, ça, ça se fait ben, avec à l'allure où vont les choses, je pense que ce avec quoi je suis entièrement d'accord avec Garé, c'est la crise de confiance aujourd'hui entre la population et, et, les acteurs de la société civile. Déjà que la population nigérienne n'est pas aussi mature pour, euh, pour contester, pour protester et jusqu'à aller à, à, créer des, des, grands mouvements dans le pays. Et moi, j'ai toujours dit que je ne crois pas déjà au mouvement civile au Niger. Et les jeunes ne peuvent pas changer quelque chose parce que et les acteurs de la société civile et la jeunesse qui pensent demain changer le, Niger, c'est des gens qui sont... Hum, à la limite tous corrompus. Donc je ne crois pas en, leur discours, je ne crois pas aussi en la jeunesse nigérienne dans sa capacité à, changer ou à faire bouger les choses. Je pense que euh, s'il y a la malgouvernance comme ils le disent, s'il y a la corruption comme ils le disent, on n'est pas prêt de sortir euh, de, l'auberge comme on dit. Moi je pense qu'il faut qu'ils changent de stratégie. La nature est, ayant horreur du ville, lorsqu'ils ont fait 4-5 mois sans sortir, et vrai que. Ça a découragé euh, les, citoyens, les Bien évidemment, ça a découragé tout le monde. Donc, les gens se sont demandé pourquoi ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont sortis aussi, ils n'ont pas pris assez de temps pour informer la population sur les raisons et les pourquoi ils n'ont pas été là et le pourquoi ils reviennent aujourd'hui pour faire la manifestation. Bien normal que la, la, la, manifestation ne draine pas de monde. Il n'y a jamais de, de meilleur moment pour, pour manifester. On peut manifester pendant le froid, pendant la pluie. On a vu en Algérie, on a vu <laughs> en France, ça fait la 19e semaine que les gens sortent et ils cassent, ils pillent. En Algérie, aujourd'hui, euh, juste, ils se donnent rendez-vous juste après la prière pour sortir. Je pense que ce n'est pas le moment qui a fait qu'il n'y a pas de monde. Si les gens étaient convaincus, si les gens avaient foi et confiance aux, aux acteurs de la société civile, je vous assure, ils allaient sortir. Mais ce n'est plus le cas. Personne ne croit à rien dans ce pays. Les gens ne croient qu'à une seule chose, à l'argent. Et c'est ça le drame de ce pays. Gary Amadou, est-ce que c'est l'information qui n'a pas passé Non, ce n'est pas l'information qui n'a pas passé. Je vous ai dit que. Pas que euh, C'est pas, que. bon, sinon, ils ont, ils ont informé les gens parce que, je vous dis, la première date de la manifestation avait été repoussée parce que, justement, le président de la délégation. Le vendredi à samedi. Oui, mais, oui, mais soit. Mais dans tous les cas, ce que j'ai dit, en fait, c'est le timing. Je vous assure que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Quand il me dit que, oh, oui, oh, même pendant le froid, on peut manifester, pendant la chaleur, c'est facile à dire qu'à faire. Mais je vous dis, hier, il faisait 45 degrés à Niamey. <laughs> on va au mois d'avril. Si les gens continuent en avril, je vous dis que même s'il y a une manifestation, à 10h, tout le monde se disperse. Ça, c'est clair. Tout le monde va chercher un coin frais ou pour, pour, pour Alors, on fait le soir. Oui, c'est clair. Ah non, mais, oui, c'est facile, vous savez. Mais je vous dis, d'abord, il y a cette démobilisation-là par manque de confiance. Uh-huh. Mais surtout, je dis, en cette période, euh, dans un pays où il fait chaud, en cette période de grande canicule, c'est vraiment pas facile de sortir et de manifester jusqu'à midi dans les rues. Je vous assure. Parce que, vous avez quelque chose à ajouter rapidement ah, je veux dire, la crise de confiance, là, c'est un phénomène réel. Si uh-huh. vous savez, on a assisté ces derniers temps à, des acteurs associatifs euh, qui se sont montrés très virulents. Et du jour au lendemain, ils ont retourné la veste, ils ont trouvé des points de chute. Uh-huh, uh-huh. Et ça fait que, bon, les gens se posent la question. Est-ce tout le monde Parce qu'en réalité, le problème de ce pays, c'est le problème de la jeunesse. C'est le problème, sa jeunesse, parce que les gens ne sont pas convaincus. Hum. On se pose même la question de la relève, comment ça va se faire Parce que tout simplement, y compris sur le terrain politique, y compris partout. Parce que les gens, il n'y a pas de conviction. Quand tu vois le monsieur crier, c'est qu'il cherche à se caser. Hum, hum. Le jour où on l'appelle, dès qu'on l'appelle, on lui propose. Non, c'est comme ça, ça, ça fonctionne, malheureusement. Et c'est ça qui, qui est stressant, c'est ça qui est décourageant. Parce que les gens n'ont plus de valeur. Tout ce que les gens cherchent, c'est pouvoir euh, trouver une planque, pouvoir euh, assurer, comment dirais-je, un minimum de confort, une maison. Une... Voilà pourquoi aujourd'hui les citoyens, ils sont un peu sceptiques, les populations à la base. Citoyen lambda, je me lève, je vais aller, je vais manifester. Uh-huh. En fin de compte, du jour au lendemain, le discours qui m'a tenu aujourd'hui, il va mhm. me tenir un discours demain, mhm. ça pose problème. Rufai eh oui, comment faire pour rectifier eh le tir eh Comment faire euh, Le verre est dans le fruit, comme l'a dit Garé tout à l'heure. Et <laughs> abondant dans le même sens que, que le grand frère Hosseini. Euh, j'ai suivi un acteur, je ne sais pas si c'est un homme politique ou un acteur de la société civile, j'ai oublié son nom tellement que ce n'est pas. C'est euh, pas important, vas-y. pas important. Et il était avec eux, avec les acteurs de la société civile. Je l'ai suivi sur une radio hier ou avant-hier, il disait et lui, lui, imaginez, il était avec eux. Maintenant, il dit, lui-même, il ne croit pas en eux parce que eux-mêmes sont financés par des gens qui le combattent. Ça veut ça veut dire qu'ils disent qu'ils ne veulent pas les bases militaires, alors que ces mêmes personnes sont financées par les puissances extérieures. Donc, vous imaginez, ces mêmes personnes qui, hier, insultaient le régime ensemble. C'est gratuit, c'est gratuit, ça, là. C'est Est-ce qu'il a ah, les témoins ah, mais il est, avec eux, je ne sais pas comment il s'appelle, Antakabar ou quelque chose comme ah, ça. Non, non, non, c'est pas important, vas-y. En tout je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est lui qui dit ça. Donc, vous voyez, eux-mêmes n'ont pas de conviction. La jeunesse n'a pas de conviction. Et comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit, comme Gary va le confirmer, aujourd'hui. Oui, mais comment faire pour améliorer Comment moi, faire Moi, je vous dis, hein, moi, je n'ai pas de solution à cela parce que eh, je <laughs> ne crois pas. J'ai toujours dit que le drame de ce pays, c'est la jeunesse parce qu'elle-même, elle, elle ne croit à rien, elle ne croit qu'à l'argent. Dès que vous amenez quelqu'un, vous lui donnez une voiture, une maison, c'est fini, il se tait. rapidement. En fait, en fait, en fait le, grand problème, c'est que en fait, il n'y a pas de personnalité au niveau de la société civile à laquelle les gens peuvent s'identifier. Et les événements qui sont déroulés ces derniers temps l'ont montré. C'est-à-dire que vous avez des acteurs qui vocifèrent le jour, contre les autorités de la 7 République, mais que la nuit tombée, ils rasent les murs pour aller dans les salons des hommes politiques. Vous, non, mais si, si, si, je vous dis. Pas tous. pas, tous. pas tous. Et vous avez hein, d'autres ah, vous avez d'autres qui, qui, qui, font du bruit, qui, qui, qui, s'agitent là sur les podiums des, des, des, manifestations. Et un bonjour, on décrète et puis on, va en retour. <laughs> donc, vous voyez, donc ces situations-là font que les gens, aujourd'hui, n'ont pas quelqu'un en qui s'identifier. Et, comme il l'a dit, euh, l'acteur de la CIV qui parle de euh, des gens qui viennent sur, sur, sur, des places de la concertation pour euh, euh, véhiculer les idées anti-impérialistes, à, bas les, les Occidentaux. Et le, soir, quand on est au salon, on prépare un bon TDR uh-huh. qu'on va déposer au niveau de l'Union européenne, qu'on va déposer au niveau. On de... aucune preuve. non, mais, on connaît, les associations, on connaît comment ça fonctionne. Uh-huh. N'est-ce pas C'est pas l'État qui finance uh-huh. les TDR. C'est les puissances là qu'on est en train de, de, de critiquer et d'insulter. <laughs> Dernier point de cette émission, c'est la célébration le 20 mars de la Journée internationale de la francophonie, un moment dédié à la langue française. Rufai Dandoua, en quoi cette célébration est importante pour les, pour Nigériens, notamment l'élite qui lit et, parle la langue française Moi, euh, sincèrement, qu'il y ait célébration ou pas, ça ne me dit rien. Moi, je suis partisan de la diversité culturelle, de la diversité linguistique. Je pense qu'il est important d'apprendre toutes les langues. C'est vrai, je ne comprends pas certaines langues, mais je pense qu'il est très important qu'on apprenne le français, l'anglais. C'est vrai, l'anglais domine. Pourquoi Parce qu'il y a les États-Unis, c'est la langue de, de, la science, de la technologie, c'est vrai. Mais c'est important aussi de, de, parler le français. C'est important de, de, parler le Zarma. C'est important de parler le Hausa. Quand tu connais une langue, la langue de quelqu'un, tu le domines. Ça, c'est important. Moi, les gens qui disent, par exemple, que la langue française est une langue décadente, ok, soit la langue française, c'est peut-être parce qu'on est colonisé par la France, mais ailleurs, pendant que nous, par exemple, on cherche à apprendre l'anglais, au Nigeria, les gens cherchent à, comprendre le français. C'est important de, de pouvoir parler même si tu ne parles pas, de pouvoir écouter l'autre lorsqu'il parle sans qu'il y ait et, eh, eh, eh, en tout cas, la médiation de euh, Elle nous permet quand même de, nous, de communiquer entre nous parce que quand on, va, euh, quand on descend à Bamako, euh, la première langue que tu, que tu peux euh, avec, avec euh, laquelle tu peux t'exprimer, c'est le français. Pas que, pas que Bamako, tu peux aller un peu partout dans le monde. quand tu parles français, il y a toujours une ou deux personnes qui, qui comprennent, qui comprennent le français, c'est important. Quand tu pars dans un autre pays, les gens qui comprennent l'anglais, si tu comprends l'anglais, c'est important. Moi, je ne suis pas l'adepte, et un adepte de, des gens qui pensent que non, non, il faut arrêter d'apprendre cette langue. Non, non, ça fait partie de la diversité culturelle, ça fait partie de, de, de, l'intelligence de, de l'être humain. Et, et je ne veux qu'aucune langue meure et je veux que toutes les langues africaines prospèrent pour que eh, la, la, diversité culturelle eh, soit eh, dominante dans le monde. Gary Amadou, est-il possible de faire un croisement entre la langue française et les langues locales au Niger, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire ou au Maghreb, où l'on trouve des mots français dans les langues locales oui, mais ces, africanismes-là qui rentrent dans la langue française, ils sont en train de se développer. C'est-à-dire que même aux Zaïre, vous allez avoir des mots. C'est-à-dire que l'Académie française, à force, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a des mots qui sont prononcés au niveau des, des, populations africaines mhm. qui arrivent à rentrer dans le dictionnaire. Donc, mhm. la langue française, c'est un outil formidable de communication. Vous savez, l'anticolonialisme, c'est bien. Euh, L'anti-impérialisme, c'est très beau tout ça là, c'est des beaux. Mais le pragmatisme, c'est mieux. Mhm. Le pragmatisme, c'est quoi Vous avez une langue qui permet à plus de, euh, euh, disons, une vingtaine de pays africains qui ont chacun leur langue à part, n'est-ce pas une langue qui, permet à tous les citoyens de communiquer entre eux. C'est formidable cela. Et donc, cette langue-là est appelée à se développer. Et son développement passe par ces africanismes-là qui vont rentrer petit à petit, n'est-ce pas, qui vont faire encore que cette langue encore va être encore plus grande. Vous voyez J'ai suivi un, dernier, un reportage récemment sur, sur, France 24 qui démontre que c'est une langue qui est en expansion. Vous mhm. comprenez Elle est en expansion. Pourquoi Car Un chercheur l'a expliqué. Il dit eh, en Afrique, la scolarité est en train d'augmenter. Et qui dit scolarité, voilà, donc, et, donc plus la scolarité augmente, plus ceux qui parlent la langue française augmentent. Et donc je pense que c'est un outil formidable qu'on doit chercher à pérenniser plutôt que de suivre des idées négatives qui consistent à dire, ah oui, oui, euh, euh, euh, oh, oh, mm-hmm. on abandonne la langue française. On, fait quoi on va rester chez nous, on va faire le zarma, le français, n'est-ce pas Mais allez, alors pour communiquer avec les Ivoiriens, on va faire comment On va apprendre encore le BT, n'est-ce pas Ou on va, vous voyez comment c'est aberrant, c'est complètement stupide, ça n'a aucun sens on a la chance d'avoir une langue qui permet à toutes les communautés, en tout cas francophones, de communiquer. J'ai dit, et, prenons-la à bas le corps et faisons en sorte qu'elle puisse se développer avec nos apports qui viennent de nos cultures euh, Ousenissa, vous vous exercez dans le journalisme depuis l'avènement de la presse indépendante au Niger et aujourd'hui encore. Euh, quelle comparaison entre l'usage du français par les journalistes nigériens des années 90 et ce qui est servi aujourd'hui, tant l'audiovisuel qu'à l'écrit mais En réalité, je vais prendre le contre-pied de Gary et de, de, de... <laughs> Une langue D'accord, c'est une belle langue, le français. Mais euh, je pose la question. Quand on survole un peu nos pays là, de la sous-région, on débarque dans les aéroports où c'est les pays anglophones parce qu'ils sont majoritairement, même pour les indications, il a pas, on ne met pas le français. Souvent, c'est les indications de l'anglais et s'il y a une langue nationale, c'est ça que tu trouves comme indication. Moi, je dis, c'est bien beau de vouloir <coughs> chanter la langue française, mais c'est encore plus important, plus intéressant de créer les conditions pour que, quand vous vous déplacez, vous sortez de votre pays ou de la zone francophone là, quand vous débarquez dans un pays où c'est l'anglais, ou c'est une autre langue, qu'au moins on puisse mettre. Il n'y a pas ce travail qui est en train d'être fait. C'est bien de célébrer la langue, tout le monde. Tout le monde, personne ne peut dire, parce que bon, ça fait quand même partie de, notre culture. ça fait partie, c'est une langue à nous. C'est pas la langue française, juste la langue française, c'est une langue aussi à nous. Mhm. C'est dans ça qu'on a été, euh, comment dirais on a été éduqué, mhm. mais qu'on crée les conditions pour que cette langue-là, au-delà des pays, parce que quand on dit que la langue est en expansion, elle est en expansion surtout en Afrique. En Afrique. Mhm. Mais malheureusement, quand vous allez même dans des conférences, et c'est ça qui est choquant, vous allez trouver des conférenciers qui sont de, de, culture francophone, ils vont vouloir faire venir faire leur exposé, leur conférence euh, en, anglais. Et c'est ça qui est choquant. Et c'est en cela, moi, personnellement, pour moi, j'ai dit, on doit se donner, en tout cas, ce moyen-là, de créer les conditions pour que c'est ça qui peut imposer la langue. du point de vue, en tout cas international, c'est ça qui peut permettre de. Mais quand un francophone, pour montrer qu'il a un brin de culture, qu'il est, il est expansif, il va venir présenter une conférence. Non, de la même manière, parce que souvent, quand vous croisez les anglophones, ils ne vous parlent pas français, ils vous parlent anglais. Mais les francophones font l'effort de chercher à leur parler l'anglais pour échanger. Oui, oui, oui. oui. On va, mais, va, ça pose problème. Moi, j'ai dit, parce que c'est ça la domination. Uh-huh. ils imposent, parce que c'est une langue aujourd'hui, l'anglais. Moi, je ne suis pas en train de vouloir faire l'apologie de langue, mais c'est une langue mondialement. Même dans les pays arabes, un peu partout, que ce soit en Inde, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit dans, euh, quand vous débarquez dans un pays, sur 10 personnes que vous allez rencontrer, peut-être il n'y a que deux qui peuvent vous parler français. Et je, me dis que ça ne peut pas faire avancer une langue. Parce qu'une langue doit être euh, une langue dynamique. Une langue doit être dynamique. On n'est pas dans cette logique-là avec le français. ça quelle euh, comparaison entre l'usage du français par les journalistes nigériens des années 90 et ce qui est servi aujourd'hui oui, Le problème aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est la formation un peu au rabais à l'époque, euh, les gens essayent de soigner un peu, que ce soit l'écrit, que ce soit le palais, les gens essayent de soigner. C'est une langue châtie. Mais malheureusement, de plus en plus. Vous, euh, faites, pouvez dire, parler de la vocation Oui, mais bien sûr, mais je veux dire, quand la base, il n'y a pas la base, il n'y a pas la. La vocation. La, base, non, je veux dire, quand euh, hmm. la base n'est pas su, il est difficile de demander à un journaliste qui, qui il sait comment avait dit, il est arrivé comme ça, il a pris, il a eu des diplômes, il a eu un diplôme, il est venu dans le journalisme de l'idée. Alors qu'il ne peut même pas savoir que quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. <laughs> non, c'est, n'est pas des, des, petits détails. Peut-être à l'écrit, au palais, quand il s'agit de parler, ça passe inaperçu. Mais quand il s'agit d'écrire là, ça ne peut pas passer inaperçu. <laughs> Moi, j'ai connu à l'époque un ancien, hein, je ne sais pas, il est toujours. Mais quand il prend un journal, il le lit et il corrige. Il souligne les fautes. Après, il a l'habitude de venir, le journal dans lequel je travaille, il a l'habitude de venir amener le journal avec les corrections rouges. Souligner un rouge, il dit c'est nul on va, on va venir vers toi. Non, je, pense qu'il faut, il faut de, ça, ça, ça, va créer un peu de dynamisme. Moi, je pense que c'est vrai, on a, les gens, certains ont raté la base. Et si on a raté la base, ce n'est pas les élèves à qui on enseigne qui ont raté la base, c'est ceux qui enseignent aussi qui n'ont pas euh, le niveau. Qui n'ont pas le, niveau. nécessaire. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas de la génération que Ousseini ni de Garé aussi, mais je peux prendre un journal peut-être dans lequel Ousseini écrit pour corriger. Je pense que c'est les gens aussi, il y a l'amour d'apprendre à un moment selon qu'on soit eh, dans les années de Hussein Ougaré ou de ou, il y a cet amour. Oh, l'autre aspect, c'est lorsqu'elle parle de, par exemple, un, intellectuel francophone qui vient, je pense que ce n'est pas, pas quelque part un drame. C'est comme la dernière fois, je suivi, et, eh, comment s'appelle, le président français, Macron, qui était en Éthiopie. Mm. Éthiopie. Il était venu, il parlait à la jeunesse, aux jeunes de l'Éthiopie il a parlé en anglais, c'est le président de la France. Mhm. Les gens seront étonnés qu'il parle en France, mais il se dit, moi je, me mets à sa place, il se dit que lorsque je parle en anglais, de la langue qu'il comprenne, le, message, sera va direct. Mais lorsqu'il y a un, un, interprète, il va peut-être ajouter quelque chose ou diminuer quelque chose. Je pense que ça a son inconvénient et ça a son avantage. Je suis d'accord aussi, euh, lorsque Hussein dit ce n'est pas le fait de fêter le 20 mars qui est, important, il faut aussi créer les conditions euh, pour que euh, qu'on comprenne, par exemple, quand tu pars dans un aéroport ou autre. Mais tout le monde sait aujourd'hui que l'anglais est, dominant. Pourquoi Parce que c'est pas qu'il y a l'Angleterre, non, c'est parce qu'il y a les États-Unis, la première puissance économique du monde. Et la mondialisation, on est obligé de suivre. Mais je pense que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et le français résiste quand même. C'est comme ici au, au Niger, quand tu prends le house le Hausa emprunte beaucoup de mots de l'arabe, du, mhm. du, de, de, de l'anglais. Quand tu prends Kona, Bokiti, c'est de, de l'anglais, mais le Hausa a fait eh, sien. Et eh, c'est aujourd'hui, on pense que c'est pour vous dire rappelez que les langues s'ouvrent et reste dynamique. Gary Amadou, quelle est votre appréciation sur l'usage actuel du français dans les médias nigériens rapidement Oui, d'abord, d'abord, j'aimerais dire que malgré euh, l'analyse pessimiste qu'a faite Ousseini en réalité, euh, cette, cette, célébration a démontré que, contrairement à ce qu'il dit, la langue française se porte bien, elle se porte même mieux, n'est-ce pas Elle est en train de se développer. Mais maintenant, les autorités ont compris l'importance de l'anglais. C'est pourquoi, depuis le collège, on commence à enseigner l'anglais jusqu'au lycée. C'est parce qu'il y a une prise de conscience que l'anglais est important. Et donc, c'est bien connu. Et ceux qui sont invités à des conférences internationales, s'il y a une, euh, euh, euh, comment on appelle ça, une conférence au Kenya. votre appréciation sur l'usage actuel du français dans les médias nigériens, rapidement. vous, savez, vous savez, ça laisse un peu. Ça, laisse, à, ça vous laisse sur la fin. Oui, ça laisse à désirer. Parce que pourquoi Parce que, comme l'a dit Ousseini, les gens rentrent dans la profession sans vocation, tout simplement parce que. Sans aussi connaissance. Oui, mais parce que, comme il l'a dit, à la radio et à la télé, on ne constate pas les fautes. Est-ce que vous comprenez Puisque là, c'est la phonétique. C'est ce qu'on entend. Donc, mais à l'écrit, c'est autre chose. Et, euh, j'ai dit, à quand vous entendez parfois des commentateurs sur des plateaux de télévision, quand vous entendez en plein journal certains, certains mots prononcés, vous avez la chair de poule. Tellement c'est une catastrophe. Rapidement, en, secondes. Je pense qu'au-delà de, des jeunes journalistes aussi, moi-même je suis un jeune, mais euh, ça va. Au-delà de ce jeune, le problème c'est même les patrons des médias qui ne prennent pas le soin de corriger ce qui va passer sur les antennes. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Ousseini Issa, journaliste indépendant, Garé Amadou du quotidien La Nation et Rufai Dandoua, journaliste journaliste euh, Merci aussi à, tous les auditeurs euh, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi 17h15 pour écouter le forum en Hausa réalisé à Agadez par notre envoyé spécial Maman Ada qui a réuni les acteurs de la migration pour parler des difficultés et conséquences euh, des mesures liées à la migration. Et Balkis Hamidou parlera en Zarma de l'autonomisation de la femme avec des femmes rurales. Merci, au revoir.